de Studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de la semaine de votre émission Les Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Habiba Ahmed. À mes côtés, j'ai Fanta Chamsou. Bonjour Fanta, comment tu vas Je vais bien Habiba, j'espère que tu vas bien aussi. Ça va, Alhamdulillah. Alors pour le programme du jour, nous démarrons par les flèches d'information comme d'habitude et nous sommes mardi, donc une rubrique santé est à présenter dans cette émission. Après suivra le portrait du jour, la culture linguistique et la page sport. En écho des régions, nous ferons un tour à Tilaberi et comme invité ce matin, nous recevons Fanta Amadou Jibbo, coordinatrice de l'ONG Faire Agir pour le développement de l'humanité FAD. Le Niger sur Kalangou, c'est aussi de la musique 100% nigérienne. En top, c'est parti pour une heure d'information et de divertissement. Et à présent, suivons le flash d'information avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Fanta. Bonjour Habiba Ahmed. Bonjour Mokhtar. Nous débutons ce flash d'information avec cette information du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, a signé hier lundi 22 juillet une ordonnance modifiant la loi du 20 juin 1997 instituant les fêtes légales. Au terme de cette ordonnance, la journée anniversaire du 26 juillet est instituée fête légale au Niger en vue de commémorer chaque année les actions hautement patriotiques du peuple nigérien pour euh, l'affirmation de sa souveraineté et de son indépendance. Euh, rappelons que le 26 juillet est la journée anniversaire du coup d'État qui a renversé en 2023 le régime du président Mohamed Bazoum. Le Premier ministre Ali Mohamed Laminzen a reçu hier l'économiste en chef du ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni, Adnan Khan, en mission au Niger. Il était en compagnie de l'ambassadrice du Royaume-Uni au Niger, Madame Catherine Engelher. L'objectif euh, de cette euh, rencontre pour euh, les deux parties est d'avoir des échanges francs sur le développement économique, les défis auxquels le Niger fait face ainsi que sur les questions clés et de voir en même temps quelles sont les opportunités qui pourraient être soutenues dans l'avenir pour euh, Madame Kathleen Ingelhern. Euh, cette mission est également le cadre pour eux d'échanger non seulement avec euh, le gouvernement nigérien, mais aussi les autres parties prenantes, notamment le secteur privé, les agriculteurs, la jeunesse et les partenaires techniques et financiers. Le gouverneur de la région de Tawa, colonel-major Umaru Tawaye, a officiellement lancé hier à Tawa l'opération de distribution gratuite ciblée des vivres mise en œuvre par le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires. L'objectif de cette opération est de permettre aux ménages en insécurité alimentaire sévère d'accéder plus facilement aux céréales et à protéger leurs moyens d'existence. Ils sont au total 176 400 personnes, soit 25 200 ménages qui sont bénéficiaires de cette, opération par phase avec 2520 tonnes de céréales et ces personnes sont réparties dans 669 villages euh, dans 25 communes bénéficiaires de cette opération. Et c'est tout pour euh, le flash d'information de ce mardi 23 juillet 2023, 2024. Merci pour toutes ces informations, Mokhtar. Passe une excellente journée. Merci beaucoup. Très bonne continuation. Merci. Merci. On l'annonçait à l'entame de l'émission, nous sommes en compagnie de Fanta Amadou Jubbo, présidente de l'ONG Faire Agir pour le développement de l'humanité, FAD. Bonjour Fanta. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci à vous. Donc avant de vous donner la parole concrètement, nous allons passer à la première musique de notre playlist du jour. Habiba, tu nous proposes quoi Je vous propose le titre de Dankowa. Debo Safo Femme en Day est une chanson du groupe Donkowa qui parle des violences faites aux femmes. Donkowa est un groupe de rap créé en 2000 par deux jeunes artistes nigériens, Mohamed Nasiru Ousmane et Soumana Amadou. Signifie pour tous en Hausa, le groupe Donkowa entend à travers la musique rap combattre des maux qui minent la société nigérienne. Ces problèmes sont entre autres les mariages précoces, les souffrances quotidiennes de la femme, l'immigration clandestine ou les sida. tu tournes, la tour du fait l'étoilité de Jordan. Mais pourquoi Elle est traumatisée, ta femme faible est défavorisée. Mais pourquoi Elle est mise à la marge, femme handicapée, besoin de soutien. Mais pourquoi Elle est que moi ne poste, pourtant on sait qu'elle est trop compétente. Lève-toi, bat-toi, oui, toi, lève-toi, bat chers auditeurs, c'était le titre de beau de Dankoa. Je les rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre. L'invité de ce matin, c'est Madame Fanta Amadoujibo, coordinatrice de l'ONG Faire Agir pour le développement de l'humanité FADDH. Bonjour Madame Fanta. Bonjour. Alors, euh, pouvez-vous nous parler brièvement de la mission et des objectifs principaux de l'ONG FADDH oui, euh, en fait, l'ONG Faire Agir pour le développement de l'humanité une organisation de jeunes gens donc, euh, c'est une organisation qui a été créée en 2018. Mm. Donc, nous existons depuis 2018, mais disons officieusement et officiellement depuis 2021, parce qu'on a eu notre arrêté de reconnaissance le 17 février 2021. Et on a fait le lancement officiel des activités de l'ONG en juin 2021. Donc, euh, la mission de l'ONG, c'est vraiment de renforcer la capacité de ces acteurs afin qu'ils deviennent de véritables acteurs de et des véritables acteurs qui, comment on appelle ça qui, font la promotion des actions en lien avec l'émergence inclusive de la femme et de l'enfant. Mhm. Donc, euh, en ce qui concerne, euh, comment on appelle ça, les, les, objectifs, comme vous dites, mais nous, on dit euh, les domaines d'intervention de mhm. l'ONG. Donc, on a cinq domaines d'intervention au niveau de l'ONG, faire agir pour le développement de l'humanité, qui sont entre autres l'éducation pour tous. On a également le domaine de la santé, de la reproduction, de la planification familiale. On a également le domaine des violences basées sur le genre, les VBG. On a le domaine de l'entrepreneuriat féminin et enfin le domaine de la communication, c'est-à-dire la communication pour un changement des mentalités et des comportements. Mhm. Quelles sont les initiatives les plus réussies que vous avez menées les initiatives les plus récentes Non, réussies. Ok. Euh, si je dois vraiment parler de nos réussites en termes de initiatives, je dirais plutôt que c'est les partenariats que nous sommes vraiment arrivés donc, euh, à nouer donc, euh, on est vraiment arrivé à nouer des partenariats avec les des organisations locales tout comme internationales. Mhm. Et donc, euh, c'est vraiment ces, alliances qui nous, qui nous permettent aujourd'hui vraiment de mener des activités. Parce que vous savez, il y a vraiment euh, une insuffisance notoire de fonds qui est là. C'est déjà un de, nos principaux problèmes, un de nos principaux défis que nous, nous, faisons face. Mhm. Donc, c'est vraiment ces partenariats qu'on est arrivé à nouer avec les autres institutions qui nous mènent, qui nous, comment on appelle ça, mènent aujourd'hui à, à, mener des activités. Mhm. Donc, justement, quelles sont ces institutions avec lesquelles vous collaborez Et En premier, je vais citer ASOEPT, la Coalition nationale euh, des associations, syndicats et ONG pour une éducation pour tous, mhm. qui, si vous voulez, qui sont vraiment les géants de l'éducation inclusive au Niger. Ils font de l'éducation pour tous, étant donné que nous aussi, on a un domaine éducation de qualité pour tous, donc nous collaborons dans ce sens. Et à part ce EPT, je citerai également le REGIA, le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement. C'est justement aussi le REGIA qui a eu à parrainer les activités de relance et de lancement officiel de l'ONG même. Mhm. Donc, euh, nous sommes également en partenariat avec eux. On a également un projet en commun. Comme eux, ils sont dans l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Ils ont un projet sur la GHM, la gestion de l'hygiène des menstrues. Mhm. Et nous aussi, on a à notre niveau et au niveau de notre domaine santé de la reproduction, on a un projet sur euh, l'hygiène de la grossesse et des menstrues. Donc, euh, on collabore également dans ce sens. Mise à part le Régia, on fait également partie de pas mal, je dirais deux consortiums, c'est-à-dire c'est des alliances qu'on a nouées avec beaucoup d'autres organisations locales. Donc euh, on a un, euh, on a un plan d'action commun et les activités sont vraiment menées à tour de rôle par organisation. Donc euh, voilà. Après ça, on a également un partenariat mondial de la mise, de la mise en fin du mariage des enfants qu'on a qu'on appelle euh, Girls Not Bride, ça, veut dire euh, épouse. Voilà. Donc euh, on a pu avoir un partenariat avec eux. Donc on est membre de Fipa par épouse dans la mise en fin du mariage des enfants. Donc euh, c'est les quatre partenaires là que je peux citer entre autres. Mhm. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une difficulté. Et quelles sont autres difficultés que vous rencontrez dans votre travail sur le terrain Franchement, la difficulté majeure, c'est vraiment les insuffisances des fonds. Donc c'est et vous savez, sans fond, une organisation, ça ne peut pas rouler, ça ne peut pas bouger. C'est vraiment l'un des principaux défis auxquels on fait face. Mais quand même, on ne reste pas les bras croisés. Donc euh, on fait, on, œuvre vraiment pour pouvoir euh, trouver des solutions dans ce sens. Parce que vous savez, c'est vrai qu'on nous des partenariats localement, mais les, les, les ressources domestiques sont vraiment minimes. Donc euh, cela nous amène maintenant vraiment à aller, comment on appelle ça, à la recherche des ressources extérieures, parce que là, et comment on appelle ça, à partir du, du partenariat qu'on a avec FIPA Épouse, cela nous a donné une certaine ouverture parce que là, ils partagent aussi des, comment on appelle ça, et comment on appelle les opportunités de financement de bailleurs extérieurs qui partagent avec les organisations qui sont membres. Donc de là, on est en train de soumettre nos projets pour voir vraiment ce que ça va donner. Mhm. Merci, Mme euh, Madame Fanta, coordinatrice de l'ONG FADDH, euh, de partager ce moment avec nous. Avant de poursuivre ces discussions, nous allons souffler en musique, n'est-ce pas, Biba Oui. Et chers auditeurs, nous avons choisi pour vous les titres Sourou des Soga Niger. de cette belle chanson du groupe Soga, un groupe composé de deux danseurs, cinq instrumentistes et trois chanteuses. Fatih Halidou, Nana Malengarba et Chetou Ali Sumela. Et cette belle voix est celle de Nana Eshetou Ali Soumaïla, plus connue sous Danko Ali, le titre de la chanson qui l'a rendue célèbre en 1999 alors qu'elle faisait partie du groupe Les Tandistes de Mahmoud Abdel Salam. Sociologue des formations, Eshetou Dankwali dit être obsédé par la valorisation de la culture nigérienne dans une interview accordée au journal Les Canards déchaînés il y a quelques années. chers auditeurs, c'était le titre Sourou qui parle du mariage précoce. L'un des domaines d'intervention de l'ONG Faire agir pour le développement de l'humanité, dont la coordinatrice Madame Fanta Modujibo est avec nous ce matin. Alors, euh, Madame Fanta, votre ONG prévoit également d'organiser ce week-end une activité sur le thème cadre juridique nigérien quelle insuffisance par rapport aux femmes en situation de répudiation. Alors pourquoi avez-vous euh, choisi ces thèmes pour une première activité dans le cadre des VBG C'est une première, hein Oui. en tout, le choix vraiment de ce thème n'est vraiment pas fortuit. Donc, euh, ce qui a guidé vraiment, ce qui nous a guidé dans le choix de ce thème, c'est qu'au niveau de l'ONG, nous avons enregistré pas mal de plaintes des femmes qui nous écrivent soit par mail ou bien dans nos DM au niveau des pages sur les réseaux sociaux. Donc euh, la plupart nous demandent un emploi. La plupart demandent euh, un emploi, s'il vous plaît, je cherche un stage, même si c'est un stage, même si c'est non payant. Je cherche à m'occuper, mon mari m'a répudié avec un enfant ou etc je n'arrive pas à subvenir à nos besoins. C'est des messages comme ça qu'on enregistre. Hein. Mhm. Parce, que c'est sur les réseaux, on communique. après chaque activité que nous faisons, nous communiquons beaucoup. Nous avons également nos domaines d'intervention et certainement parce qu'elle voit, il y a le domaine du VBG, Peut-être c'est pour ça qu'elles vient vers nous pour nous écrire et puis voilà, nous exposer leurs problèmes. Mhm. Donc, euh, il y a même une qu'on a vraiment recueillie au niveau de l'ONG, donc euh, qui est là, qui est aujourd'hui membre de l'ONG, parce qu'elle elle a tellement écrit pas mal d'emails sur notre euh, adresse mail. Donc pour, pour, nous, pour nous exposer sa situation et après sa répudiation, elle a un enfant. Elle dit qu'elle n'arrive pas à subvenir à ses besoins, elle cherche un emploi, donc euh, si on peut faire quelque chose pour elle. Mhm. Donc c'est vraiment toutes ces plaintes-là qu'on a eu enregistrées au niveau de l'ONG qui a vraiment guidé le choix de ces thèmes parce que, comme je vous le disais tantôt, on est en consortium avec d'autres organisations avec lesquelles on collabore. Mhm. Donc euh, on a un plan d'action commun et à chaque fois, chaque année, quand on renouvelle les activités, il est demandé à chaque organisation de venir avec euh, deux ou trois activités qui seront vraiment choisies. On va débattre et faire le choix et les inscrire dans le plan d'action commun. Donc, euh, pour cette année, moi, j'ai eu à proposer deux activités. Et parmi les activités, la figure cette activité-ci. Et ça a été vraiment acclamé dans la salle. La majorité des femmes ont voulu que cette activité-là soit mise, incluse dans voilà, le plan d'action commun. Donc, euh, comme ça a été inscrit dans le plan d'action commun, là, nous avons bénéficié des fonds qui nous permettent vraiment d'organiser cette activité. Mhm. Et étant donné que c'est la toute première activité que nous organisons dans le domaine des violences basées sur le mhm. genre, donc euh, c'est pour ça qu'on a vraiment prévu de faire d'abord une cérémonie d'ouverture afin de lancer l'entrée en matière du domaine des VBG. Et voilà, ensuite essayer de faire une conférence publique où nous aurons comme euh, panéliste une spécialiste en la matière qui viendra pour vraiment mhm. édifier les femmes sur ce thème. Donc euh, voilà vraiment ce qu'il y a en gros. Et ça sera qui C'est Madame Gauche Memouna Gazibo. Ok. Je pense qu'elle n'est pas Elle n'est pas en tout cas pas au <laughs> studio Kalango. Pas au studio Kalango. Madame Fanta, quels sont les impacts attendus de cette conférence sur la perception publique et les politiques concernant les droits de femmes en situation de répudiation au Niger Ok, la perception publique, je parlerai surtout des femmes parce que, enfin, les hommes aussi sont, euh, voilà, concernés, mhm. mais les femmes sont beaucoup plus concernées parce que c'est un problème qui concerne uniquement les femmes. Donc, c'est tout le monde que la répudiation est unilatérale, ce qui fait d'elle-même une force, une forme de violence basée sur le genre. Donc, nous attendons vraiment au terme de cette activité de vraiment arriver à impacter les femmes en les conscientisant sur leurs droits, en les conscientisant pour qu'elles puissent vraiment savoir, même au cas où où se diriger. Parce qu'aujourd'hui, le, problème principal, c'est que les femmes sont même ignorantes la majorité sont ignorantes, elles ne connaissent pas leurs droits. Une fois qu'elles subissent la répudiation, elle se taisent tout simplement. Alors que non, même si quand, même quand on répudie une femme, elle a quand même certains droits auxquels elle doit, même si elle personnellement ne doit pas bénéficier de quelque chose de mhm. son mari, si elle a des enfants avec ce dernier. Juridiquement. Euh, exactement, juridiquement oui. Mhm. Elle doit quand même euh, bénéficier de quelque d'une certaine allocation pour euh, la prise en charge de ses enfants. Donc il y a certaines femmes qui ne sont même pas informées. Elles n'ont pas cette information. Donc on espère vraiment qu'on ressort de cette euh, conférence, qu'on arrive à les édifier, qu'on arrive à leur, euh, fournir les informations nécessaires pour qu'elles puissent savoir ou même se diriger au cas où. Parce qu'elles ne savent même pas qu'il y a des institutions qui existent aujourd'hui, qui peuvent leur venir en aide, qui peuvent mhm. les guider. Elles ne savent même pas que ces institutions existent. Donc, euh, au ressort de cette activité, vraiment, on espère vraiment leur apporter toutes ces informations-là. Mhm. Donc, en ce qui concerne les politiques également, nous espérons vraiment... et enfin, je vais pas, enfin, on, espère vraiment se faire entendre. Ils savent, on, veut encore leur faire savoir qu'on est là, qu'on existe, mhm. qu'on continue de vrai, qu'on les interpelle vraiment à vraiment essayer de revoir les réformes juridiques pour que vraiment les femmes, euh, la situation des femmes puisse être améliorée. Donc. Euh, Bien, merci euh, beaucoup Madame Fanta, coordinatrice de l'ONG Faire Agir pour le développement de l'humanité, d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons prendre congé de vous. <laughs> Nous vous souhaitons une excellente journée, une bonne euh, continuation. Merci à vous autant. Merci, bien. Alors, euh, chers auditeurs, on prend une petite pause avant de passer à la rubrique hebdomadaire. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et c'est lors de la rubrique hebdomadaire de l'émission Le Niger sur Kalangou consacrée aujourd'hui au sujet santé. Et direction Ngigmi dans la région de Difa où on a enregistré une grande quantité de pluie la semaine dernière. L'un des quartiers de cette ville d'Ileram se trouve inondé suite à ces précipitations, attirant de nombreux enfants de la ville à se baigner dans cette mare qui est plus ou moins insalubre. Et c'est pourquoi chez Boussani, major à l'hôpital du district sanitaire de Ingigmi, explique les conséquences néfastes que pourrait avoir cette pratique sur leur santé. Le micro de Abdullah Mena. major wane karin haske za ku yi mana dangane da ruwa da ke kwance a diliran akan ga kuma yawanci kananan yara ko ma na ne ko baki ne ko ma almajirai sukan yi wanka a cikin wannan ruwa shi ya gaskiya wannan lamari yake to na harko dai gaskiya wannan ruwa wanda yake kwance a diliran ruwa ne ruwan sama kuma diliran kinan kowa ya sani sarai akwai salte da ake zubda akwai mushe akwai kashishuwa akwai kwalabe akwai tsoffin karahuna kuma banda haka ma wajen zub da salte ne wani irin illoli waɗannan abubuwa da ke cikin ruwa da kazano zai iya haifarwa ga lahiyan waɗannan yara da ke wanka a cikin wannan ruwa to gaskiya kamar wannan abubuwan da na zana kun ga na harko yanzu yaro in ya shiga cikin ruwan nan yana iya taka wani kashi yana iya taka wani kwalba ko wani tsohon karhe kenan wannan in ya taka yana iya mushi illa ba sani ba tana yawa ya ɗauki cutar dahi cutar dahi irin wanda ake cewa cutar tetanus kuma banda haka ma in ya shiga ya wanka a ciki ko bai taka ba komi ma akwai rashin lafiya na ruwa wanda mutum yana iya ɗauka a cikin ruwa to marala yanzu ku a ganin ku a ina wannan matsala take ne to wannan matsala kawai tana wajen uwayen yara matsala ga wajen uwayen yara ne take saboda yanzu damana ne yaro yana iya huta yaron ka in zai huta ka san ina ne zai tafi surtu wanda suke kusa da tafkin nan na daliram kenan a kula a san da yaro kuma yaro ana iya zammar da shi a gargade shi a ce to kaga wannan ruwa bai da kyau kana iya tahiya ka faɗa ka yanke ko ka ji ciwo ko kuma in ka huto in ma wani abu bai same ka ba kuraje suna iya huto ma a duka jiki a rasa menene yake damun ka kuma hallo yana iya kashe ma yaro tunda akwai muka yaro kenan in ya hada in tsohon shi bai iya kaiwa bai iya ruwa kenan yana iya nitsewa ka gani ya zama haga rayuwar yara idan misali aka samu waɗannan yara da suka ji ciwo ko wani abu ya kuke ɗaukan yauninsu a nan babban likita ka san mu likita duk wanda aka kawo inda mara lafiya ne kowane irin rashin lafiya ne muna ɗaukan nauyin shi a shirye ne muke kodo shi kuma musu magani kuma a dace Eh, amma duk da haka ma muna kira a yi rigakafi a kula saboda ba sai cuta ta samu ba mu bangare biyu ne in cuta ta samu muna magance shi kuma amma kafin cuta ta samu muna kira kullum ga uwayen yara da mahukunta da kowa da kowa 'yan gari kenan a kama tare a kare wannan alloba wanda za ta zo wani kokari kuke na wayar da kanun al'umma musamman ma mazauna gegime ne to gaskiya muna yin kokari da yawa na waye kanun al'umma to yanzu dai waye kanun kowa shine uwayen yara a kula a kula da yara a rika gargaɗin su wannan ruwa ka a shiga ai wasa da shi yana da illoli amma uwa ba ruwanki da yaro in ya kuta in yana so ya abin da ya ga dama kenan wannan babban matsala ne Voilà, c'était Sheibou Sani, major à l'hôpital du district sanitaire de Ningimi, qui expliquait les conséquences néfastes de ces baignets dans des eaux insalubre et des marques qui se forment pendant cette saison de pluie. Il était au micro de Abdoulaye Maïna. Poursuivons en musique avec euh, le titre Amana de Al Radik Soldier. Ah, Goga Music auditeurs, Amana de Al Radik Soda que vous êtes en train d'écouter est une splendide chanson aux paroles remplies de sens et au rythme tout aussi vibrant, une chanson qui parle aussi de l'importance du mariage. Aure Ibada comme le dit l'artiste Al Radik, mais en plus Abiba, c'est un magnifique clip vidéo qui accompagne cette chanson. Magnifique, c'est pédé à mon avis Fanta. un clip qui est mis en ligne depuis un peu plus de 6 ans, mais à moi en tout cas, il me fait toujours autant d'effet que la première. Cette chanson est tout simplement magnifique. Voilà, c'était Amana de Al Place à présent à l'écho des régions qui va nous parler du métier des griots qui est de plus en plus un hein, délaissé de la région de Tilabéry. Effectivement, Fanta, dans le département des ces régions de Tilabéry, le métier de griot est en voie de disparition. C'est le sujet qui traite le reportage d'aujourd'hui. En effet, les griots nigériens sont les gardiens de la mémoire collective de leur communauté. Leur rôle principal est de transmettre de génération en génération les récits

bore mono kanga tonandi bore asilai di mono iga fongandi bore se ir wani wangare bonko ne nuru koinai da dumai tarifai wane fondara arzanai ga kai ina ir fongandi danga ya gaci ne jasar wo amantikal wangarno har dai mata san nun ne ni kai yana te yana te yana gorunda ni bun bon sabe ni kai bumbo aman an jasar angno wangar ga jasar no ga nor ko ni ga jasar no talk ga jasar no ga hiji ga borai charai di charai gi chare wauda inga sai no bandi zan kai kan igogo tunu isa ba ngai mu furo jasa taradira lalle na mu mono itubu mono kan itubu kaye di kaye ga watin ni ko tare bandu kunno gonda jasar yankan ngande gutun charbanda jasar yangon me gani nge nge a fomo gono i gonde nge wona molian de dondo yan de bitian fomo gono kan nge mo igi la sabde no kan borewo nge no gumanu ko tere nge mo jasar banne ngade no ifu ali haruna ci kan jasatara goino kan gona ga dare wone mo aga hinga kan da lahani beri ir arzana yayi darjan jemu fondara gamar ganda al'umma min da me tarifai hankun herno kan hala dare hasaro berno te hona namera nam sambo mali jasare ngai no yenje fei ɗum noon ko en hinkuno yen jeey nda talka hinkuno yen jeey ɗum wongaari hinkuno yen jeey jasara e nongo koye ngay non gi ja fe emi ye ka gor yani ga jasar matkal gomte kono butuna al umara lalle akkan sande yan ago ira sande jina kan akkan de hin ka kulu agdare zama ifo seno e, in jasare in manen de borai wala an kasi go borai jarga borai muduga borai kajo bai tin kan ka wodi nan bumbo bore gin gutun ko jasare din do ga borai banda ceci gine filani o bonko ni filani o mai yanga ni fur man ni funi fono ga tiyacin da ne kan ga ya dinga ndi na moyi na agoga zabu in kun din ko gila sa mun star du jasar kan ka gane ne se ko filani ya gana furun ka to non filana ba kan se nge mbo bonko ne bandera gonde wodi na amma jasar ga ha gonda im yan wodi te ise nge woni hinna magano igo walbini murad kan buraga te eh, jasar din nge no gutuni te bonko ne se jasar mo do hare go jange na mo zama zankai kayan gutun ine wodini ya wal fato chuno gare gon gudunge bi ine murar wani ngai siya jang hi jan charse yongo mo ago ye ka zama de bore ngai sambu charga kulu ago ye kan gazan bore wona warara. jasar tarai ima batu harno kan gwanda na faberi a ganan ir arzana yayi ima bafune ya din mono am yegi no dar zaga tonton wone yanga chabe matkan al'umma men da me misalo gonan da C'était un reportage de Fatih Amadou et on profite de ces reportages pour faire un coucou à toute la population de la région de Tilaberi qui nous suivent en ce moment sur cette émission Les Niger sur Kalangou. On prend une pause et on revient juste après. Le studio Kalangou, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Et il est à présent temps pour nous d'accueillir notre chroniqueur sportif du jour, Hasmi Gourouza, pour la présentation de la page sport. Bonjour Gourouza. Bonjour Fanta, bonjour Abiba. Bonjour Gourouza. Bonjour. Alors, euh, le comité olympique et sportif euh, du Niger COSNI a présenté dimanche la liste des athlètes qui vont représenter le Niger aux Jeux olympiques euh, de Paris 2024. Oui, Fanta, il s'agit des taekwondoïstes euh, Abdelrazak Alfaga, champion olympique médaillé d'argent. Noureddin Isaka, sociétaire du centre aux États-Unis, Samira Wali, athlète de haut niveau qui a récemment remporté l'Open de Dakar, Abba Marwan, jeune nageur, deux boursiers olympiques, Samira Youssouf et Ismaël Alassane du judo et Abba Marwan Jean, escrimeur. Voilà ceux qui vont défendre les couleurs nationales à ces Jeux olympiques qui débuteront le vendredi 26 juillet prochain. Guruza, parlons autre discipline à présent. La 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de rugby qui se poursuit en Kampala, à Kampala, en Ouganda. Ah oui, eh, Abiba, le tournoi se tiendra du 20 au 28 euh, donc, 2024 euh, à Kampala. Huit équipes euh, participent actuellement à ce rendez-vous de donner et de recevoir. L'Algérie, l'Ouganda, la Namibie, le Burkina Faso, le Sénégal, le Zimbabwe, et la Côte d'Ivoire. Les quarts de finale se sont déroulés. C'est ainsi que la Namibie a disposé du Burkina Faso 38 à 5. Le Zimbabwe a remporté de justesse contre l'Ouganda 22 à 20. Le Sénégal s'est incliné 17 à 36 contre le Kenya. Et l'Algérie a battu la Côte d'Ivoire 32 à 12. Donc, en demi-finale, l'Algérie affrontera le Kenya la nation la plus titrée est la Namibie avec neuf titres et la compétition a été initiée en 2000. Depuis 2011, la Namibie et le Zimbabwe se disputent régulièrement le titre. Voilà pour le sport aujourd'hui. Merci pour toutes les informations sportives, Gourouza. Passe une excellente journée. Merci. Fantadi, qui est la star du jour le portrait d'aujourd'hui à nous conduit à, la découverte de Issoufou Hamza, natif euh, du village de Kalgo dans le département de Dogondouti et qui réside actuellement à Niamey. Il s'est lancé dans la vente euh, des piawata sachets d'eau pour euh, subvenir à ses besoins et à ceux de ses sœurs orphelines. Voici son portrait avec Oumou Marou. Isufu Hamza matashi ne mai shekaru 25 da biyar da aifuwa. Maraye ne da ya rasa iyayensa tun shekara da uku. Rashin tallafi yasa bai samu idar karatun nasa bayan faduwa daga jarrabawan neman takardar breve. Bayan haka ne ya zaɓi sai da ruwan fiya wata. Tun ina ɗan yaro dai aka kawo ni. Ban da uwa ban da baba sai wajen kaka ta ta ni tashi ita kuma Allah ya mata cika. Ta riƙe ni kuma gaskiya alhamdulillah lokacin muna da dai ɗan wadata iya gwargwado amma daga baya kuma abun dai sai a hankali. Ni zaka ina ekwal kuma karatun dai ina gani tun da ko kuɗin karewar lokaci ma ba a bani. In na ta ekwal ko ina so in tsaya da in yi karatun sai in gani babu moyen babu hali. Wani mai gidana abokina kan ya gane ne ya ce ma wani zo mu yi aikin fiya wata. To sai na fara ta ya ina gani ganin ina dan samu ina ekol sai na gani gaskiya ekol ba ta iya gyara lokacin da na fara iya ma kaina sai na gani gwamma aikin na ma bisa kai ga karatun na wallahi na yi examen ma breve ina da ilimi na iya gwargwadon hali amma saboda rashin muwayan ne shine yasa komi da ya tabarbare tun da ko yanzu dai ina dan gwargwadon nivo ina wanda wani dai bai gwada min dai wani abu shi ne ne kama wannan aiki ne dogara da shi kanna na ina dan yi musu in sun tambaye ni yanzu dai ala kulli hal dai gidan da yanzu ni dai ne adda nauyin gida kenan gaskiya muna son taimako dai kuma da Allah a kula da mu dai matasa ba mu da hali dai mu kankan muna son himma dai da aiki da kuzari hakan game saboda babu halin yin aikin kawai ko da yaushe kana ta bayan wani wata amma walakanci kai hakuri saboda dai kana son dai kai ka samu kar dai kai kumya dai ga kowa da insha Allah muna so Allah ya taimaka mana ga wannan sana'a sai da ruwan fiyawata yana samu biyan bukata tare da kanun nashi marayu wata ran kana iya samun ɗari in aiki ma ya daɗi har zuwa jika biyar hakan kana iya samu to ba kullum ne zaka samu haka nan ba wata ran ka mutu aiki kuma kai mai na jika biyar ya ɗauki ɗari uku ya baka baka iya dai halin yi shi magana tunda baka da wani aiki in ba wannan ba sai nan dole kai ta Kuri da abun da za a maka saboda kai kana son ruhin asiri ne to wallahi alhamdulillah tunda yau ban cewa dai na samu wani abu babba hakan ga da ni yi ma kaina amma yau abun da nake alfahari da shi kannaina waɗanda a karkashe na babu abun da za su tambaya gare ni ko da ma ban da halin shi ne ina taya in nemi bashi in yi musu in na yi aiki in biya mutuna sannan ko nan alhamdulillah na gode ma Allah da wannan aiki gaskiya tunda ina so a ce na samu wuri na kaina wanda ina yi ma kaina aiki kuma kannaina ina so gaskiya ni ma in aza su bisa condition da normal kuwa na kware kwa yadda ba sai sun je wajen wani ba su ma gaskiya buri na ina so Allah ya bani sa'a ha lokacin da su ma suka da karatun da suke tun da yanzu komi dai nasu ya komo hannuna buri na a ce na ɗauki nauhin su komi da komi har zuwa auren su in Allah ya gwada min nima ina da tsawon rai. Muhammadu Haruna ɗaya daga abokan nashi na yaba kyakkyawan aikin da yake yi don biyan bukatun masu sayan gare shi. Isufu abokina ne kuma mutum ne wanda gaskiya namiji ne. Abun da sance namiji ne mutum ne wanda yana neman na kanshi kuma yana son aikin shi. Mutum ne wanda in ya tashi ta aikin shi kuma gaskiya mutum ne wanda yana da amana yana son aikin shi. Wannan ina shaidan biska wannan. Gaskiya yana da kuzari. tunda mutum ne wanda tun na san shi tun da su ba ke ta wurin aiki in ka gan shi kuma sai bayan sallan isha tunda wannan ba kowa ba ke iya yin shi ba cikin matasa. Isufu na kira zuwa ga abokan nashi matasa da magabata don saman ma matasa aikin yi. Matasa don Allah mu dukanmu tunda ni ma iya gwargwado matashi ne. Allah ya taimaka mana mu dukanmu amma don Allah zaman banza zaman fada zaman shan shisha wane ne wa'annan duka a daina mu kowa ya kama aikin da zai iya yi tunda yau mu duka muna da aikin da ya kamata a ce kowa ya iya na hannu ne na harka ilimin kimiyya ne wane ne kowa da yana da iya gwargwadon halin shi amma zaman banza gaskiya ba ta karewa kana C'était le portrait de Issoufou Hamza réalisé par Oumu Oumarou. Nous allons à présent boucler notre playlist du jour avec la chanson de Kaidan Gaskia, Aisiba Bora. La la la la. si va haiga no haiga konzo aikai mino haiga magul manino maka kwayantira aine hainino moda alfare ingane ainino arzakante ingano aiga hate haubo zangu barma waigu da ido ni kwara jatuno ne ganyido sungo aila kale kule ninse ilebo le mana heji mago le simargo busandine kan asinda sika dhaloogay bonyaalandii hawayayna noorota badaykaysii beegaasi yaadhingaadaysiba mora nyaawola baaba masayii kine luka chono kaka yule Baksine winde gaturi a n o mahange di masaja Wena masada masaja k a t a tale w e no m a y u r wakapandisi Ije kasinda suba kapanda bukin tare Da pando boye gandola dola Ije luka c h d a j e s b a k a wukangene numiye te unogan Man beke kakoche Wukangene numiye te unogan Ma gor kul sin sen ni hat ba ben sele wo kul sin sen ko par ok ma wala enun sombu enun no alhaji sen alhaji mi kudi ngok ma wala to Iyame, iyame, iyame, iyame, iyame, iyame, sulvin gagnone. Ah, ah, voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, le Niger sur Kalangou se poursuit avec la chronique Lotti. Et aujourd'hui, le sujet que va aborder cette rubrique, c'est à propos de ces femmes mariées qui ne restent pas chez elles. Elles sont tout le temps absentes de chez elles à tort ou à raison. Mais cela pourrait avoir des conséquences sur leur vie. Écoutons cette discussion entre Fanta Chamsou et Samira Rouafi. Masukiji, Masukiji, Masukiji, Masukiji, Masukiji. Hey! Masukiji. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ka, ba dai ta ta sake yi ba ita wagga yarinya. Ah. Waye can wai gani nan kusa. Ka ce babu hanni. Yaki nan. Ah, yi rakiya. Ku ne yanzu cikin ranar nan kuma da wannan iska. E, eh, ni in ce, wai ki Halima in tambaye ki. Ke ba za ki iya zama cikin ɗakin ki ba. wannan ne karo na uku da nake zuwa gidanki amma kullum baki nan haba yaya ban yi nisa ba wannan da nake kusa gidan makwabciyata ke baki da gida ne ko kuma hin gida ta yi ita kullum tana gidanta amma ke kullum kina gidanta to nan ga wallahi kadaici nake ji sai ina zuwa gidanta dan in ga lokaci yayi saurin hucewa ke halima wallahi ki zamna kurum wanga hali ba takala ce ba kadaici to ina ta yi sai da take yi a'a walla akwai ta to don me za ki barin gidanki hakan ga ki kama hanya ki ta gidan wata ki wanga ko a addinance babu kyawu ba a hana kyakkyawan hulɗa tsakanin makwabta ba wani gaisuwar ina wuni ina kwana ke ha abota kwarai takan iya kulluwa tsakanin makwabta amma ke abin da kike yayi yawa ne ita makwabciyar nan taki ban taɓa ganin ta nan gidanki ba amma ke kullum kina gidanta abin yayi yawa kin mamaye mata rayuwa mm, yaya ni ho ban taɓa matsa mata ba saboda fa tsaki shi ko mijinta ya zo ha in ya zo da na cin abinci ɗaki suke shiga ni sai in zauna wa falo ban shiga ban bin ban bin su cikin ɗaki. subhanallahi halima mi wai ke yarinya ga lahiya kiko wato ko mijin nata ya dawo ba za ki tattaro ina ki ina ki dawo ɗakin a a zama tsaki ma wai su su shiga ƙurya ke kina a ke kun kunya ba ki ji ke ce ƙohorwa na ke ce ƙohorwance wannan shi zai bata miki suna kun mun san juna haka ne ake fara wani kananan tsegumi wane ya ce wance ta ce ki kwaso mu kanki zunubi banza banza haba yaya ba mu hoyin wani abun asha kawai na ce miki kadaici nake jin ina a gida kun miji na bai zawa da rana sai da dare yake zuwa sai ma dare ya gaba kenan ina zuwa gidanta ne mu ini ina dan taya ta aiki kuma in ta girki sai mu ci tare wato dan miki abinci ma take a yarin yaga ke zaki kashe ni ke ba zaki zamna gidanki ki girka kam kowace mace kwarai ba to wai kin san da yake kaɗaici ne matsalar taki bari in zauna har mijin naki ya zo da kaina zan ce mishi ya dirka miki kishiya wadda za ta zo kin ga wancan dakin za a share a bata ke da ci kuma shikenan ya gakiya wayo ina nufin yaya yaya ku bar min waga fata dan Allah da annabi daga yau shikenan ba zan kara zuwa can ba insha Allahu na yi alkawari. A in ma kin gyara ai dan kanki ne tunda ni na tabbata waga makwabciyar taki in an tambaye ta abin da ke cikin kwalwarta in ta haɗe shi a kanki sai ke kama kanki. Dan ki mamaye mata rayuwa. wallahi yaya sauraron gana ku da nake yi wallahi naga kuna da gaskiya abun nawa ya huce gona da iri amma insha Allahu wanga zancen da ne daga yanzu zan zamna bakin kofar ɗaki na kuma in Allah ya yarda zan ta in neme ta gahora saboda matsatsin da na yi ta mata to ko kefa idan kunna ya ji dai an ce jiki ya tsira ni kin ga kamin ma ruwa kishirwa nike ji to yanzu yanzu haba ko kefa amma a ce kullum kina kohorwa na kohor wance sai ka ce ke baki da ɗaki gida shirman duniya da irin wagan takala Grand merci aux desk femmes de la rédaction pour ces multiples conseils. Asuma Nashina est dans la place pour la culture linguistique à Langhausa. Bonjour. Bonjour Habiba, bonjour euh, Fanta. Oui, euh, donc, bonjour, euh, merci. C'est l'heure de, de culture linguistique. Aujourd'hui, le mot de la semaine, comme on peut le dire, donc c'est noyette. Bon, comme je vais faire en Hausa, mhm. euh, kalmar da muke da ita a wannan makon ko kuma in ce a yau ita ce nutsewa. Nutsewa kuma ana kiranta ne noyade da Faransanci. a ranar biyar ga watan ga wannan watan ne na juye za a tunawa da ranar rigakafi da nutsewa ta duniya wannan ranar kuma majalisar ɗinkin duniya ta kirkiro da ita ta kirkiro ta a watan abril na 2021 to shi dai ma'anar nutsewa misali idan aka ce mutum ya nutse cikin ruwa har ya rasa ransa ana nufin mutumin ya fada cikin ruwa ne ko kuma ya shiga cikin ruwan ya kasa fita har suka yi sanadiyar mutuwarsa ana fuskantar al'amarin a daidai irin wannan lokaci kuma na damana da muke ciki yanzu haka musamman da yake ana yawan samun ambaliyar ruwa idan ruwa suka rutsa da mutane wasu kan iya nutsewa ciki bana kamar a shekarun suka gabata an ba da sanarwar adadin mutane da suka rasa rayukansu sanadirar nutsewa bayan saukar ruwan sama kama da bakin kwarya wani misalin kuma a lokacin da yara ke wanka cikin tafki waɗanda ba su iya ninkaya ba sukan iya nutsewa wato saboda haka wasu iyaye ke hana ma yaran su je wanka cikin tabuka kuma wato dai nutsewa lamari ne da ke iya salwantar da rayuka ko na manya ko na yara kenan ya zama wajibi hukumomi da kuma masu faɗa aji su ɗauki matakai na ganin cewa an yi rigakafi da wani al'amari wato mutane su nisanci wasa da ruwa ko kuma idan akwai alamun samun ruwan sama kamar bakin ƙwarya a guji wurare inda ruwa ke kamawa saboda akwai hadari na samun nutsewa ga misali kaɗan kuma in ce a takaice ma'anar wannan kalma ta nutsewa wato nuwayat mun gode sosai shina Chers auditeurs, merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. sera daga kalwan ci gazare fudan sadar gani studio kalangu arwa grazan ani silawun taginin balle won tamadrak balle mardu shirina sawan agoradi igrazan wulli akal jinto sa atgruwa isalan studio kalangu kuma tafrega tuta lambanna sawan nerte la tgruwa isalan sanarwa studio kalangu wa juto sani jar nigarrawi salan mignat yalla tafiqan sa ayuba alhaji biyanu anan garin ciro masha Allah studio kalangu masha Allah Allah muna barka samun kalangun kullum kullum mutane suna ce mana suna jin daɗin wannan shirye-shirye kenan shi yanzu wanga studio karangu mutane suna ba da goyon baya ɗari bisa ɗari k'a a ƙarfafa shi wallahi yana burgewa studio karangu ba ni kaɗai ba duk mutane su dinga yin deplace su zo cikin jihohi da ƙauye ga auditor kin nasu haka na yana da daɗi mana Muhammadu Ibrahim tabbas ina da daga cikin masu sauraron studio kalangu musamman ma shirin su wanda suka kara lokaci na sahi wannan yana katar da musu domin a studio kalangu ne muke jin labaran gaskiya ba jite-jite ba muna jin kamar ka ji wani labari a cikin gari ko baka yarda da shi ba in studio kalangu ta faɗi wanda ta ce an yi wani ba gari kaza ko gashi gashi abin da ta faru a cikin ƙasa muna gane gaskiyar bayani a studio kalangu ina gaida Je m'appelle euh, Ali Adam, je suis à Ngingim je fais partie parmi les euh, fidèles auditeurs de l'Istudio Kalangu. Vraiment, nous apprécions leur programme qui diffuse euh, par les différentes langues, surtout les forums, les informations qu'on écoute par les différentes langues en français et en Hausa. Mais nous, ici, dans la région de Difa, plus précisément ici à Ngingimi, il y a des meilleurs auditeurs ici des studios Kalangu, mais malheureusement, certaines de nos populations n'entendent pas le français ou bien le Hausa. Donc, euh, si possible, nos réclamations par rapport à Kalangu, c'est d'insérer la langue euh, au moins même si c'est Kanori ou bien Toubou ici à Nguingime pour que les auditeurs puissent bien écouter tous les programmes qui se passe à l'Istudio Kalangu. Hussein Ibrahim nake anan cikin garin Gegime niki. Muna cikin masu sauraron radio ga Kalangu. Muna sauraron shi mu yana birge mu sosai muna cikin yan cikin wanda suke saurare ko da yaushe ko da su erkin da ake sa A Hausa da Faransai yake birge mu. Eh, ina gaida da Maina, ina gaida Shab Haru, ina gaida Taknise Inisa Santal Suleiman. shirye-shirye studio kalangu muna jin daɗin su tun nan a gadez bisan kan radio sahara ma muke samun shirye-shiryen kalangu abin da zamu ce dai Allah ya taimaka musu shirye-shiryen su ba mu ga laihin kurmi ba je les trouve meilleur et très informative surtout les informations sportives qui m'intéressent beaucoup wallahi muna jin daɗin shirye-shiryen studio kalangu tun daga nan a gadez harkokin suna burge mu suna tsare-tsare abubuwa da dama wanda muna jin daɗin su gaskiya labarin studio kalangu muna jin daɗin shuraren su kwarai-kwarai abinda muke so da su ya kamata a ce a ƙara mai lokaci na wanda al'umma za su jin daɗin shuraren shi saboda labaru wanda ba mu da samun su wani bangaren muna samun su a bisa kan studio kalangu to ni dai suna na haruna lawal san studio kalangu duk information da muka saurara a tace yake emission wanda ta burge ni sosai na ga ana an faransi kuma amma mutan ai da a hausa assalamu alaikum ni dai suna na shafa'i a gaskiya muna sauraron studio kalangu da kyau kuma shirye-shiryensa gaskiya yana burge mu yana da kyau muna jin su wannan daɗi ra'ayina an so na za samu a ƙara mashi lokaci saboda kamar lokacin da mu muke shi kamar ya mashi kaɗan a ƙara ma shirin wannan lokaci nasu saboda muna jin daɗin shirin wannan nasu da suke yi assalamu alaikum sunana ibrahim iliya malam makaranta ne da nake sarba e gaskiya labarin studio kalangu muna sauraron shiga radio tarmamuwa ta sawa kuma suna ɗakarwa suna kai saƙo lugu da lugu sosai muna sauraron su gaskiya bakin gwalgwado gaskiya shirye-shiryen nasu sai dai in ce su ƙara hazaƙa kuma su ɗan ƙara lokaci tunda kamar wani biyu lokaci yana mana kaɗan sai mun koro labari muna saurare abu da daɗi kuma sai lokaci ya ƙare. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. fin de cette euh, édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Merci à tous euh, de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro. Vous étiez en compagnie de Habiba Ahmed et moi-même Fanta Chamsou. L'édition a été assurée par Adam Adawa qui est à la technique c'était Mustapha Ayuba. Vous pouvez nous réécouter sur notre site web le www.studiokalangu.org ou sur la page Facebook du Studio Kalangu. Passez une bonne journée.